fête de l'indépendance suñu fête la ñu ñëpp loo tax ma bëgg a sàggal ñëpp suñu bopp sàggal ñëpp si fête bi. di rafetlu teewaayu population yi. pendant plus de deux heures de temps ñoo ngi toog àndandoo kàddu yi. fête de l'indépendance suñu ko waxee également dañuy fête xale yi la donc ñu profité di rafetlu seen participation. maanaam si fànn yëpp yu xale yi di yëngatu gis nañ tey donc marqué de leur présence cette fête. mu nekk lu dal suñu xel parce que fête de dafay wane ni rek benn nation lan benn lan te defe naa loolu moo fay tey si défilé bi. thème bi dafa nekk benn jàngat pour xool force de défense de sécurité yi ñu mën a dugalee seen loxo ba nga xamante ni gàncax gi dinañ ko aar muy si wàllu environnement si wàllu ressource naturelle mais si wallu li nga xamante ni Sénégal daanaka fi ak euh, jamono ju ndaw rek dina si leen ko si tontu bu ñu di produit pétrole ak xam nañ ne généralement loolu fu am rek souvent donc day am ay problème de sécurité moo tax très tôt président à travers sa thème bu leen seen tàggat ba nga xamante ni dinañ dina dugal seen loxo ba jëriñ yooyu ñu gis yeneen dëkk yi bu bañ ak Sénégal suñu xel dal na si parce que bu fekkee loolu la am nañ suñu force de défense de sécurité yi am nañ xarañte yi am nañ formation mais surtout comme nous renforcement des effectifs la fête de l'indépendance est également un moment fort de communion de toute la nation mais c'est une fête aussi qui met à l'honneur la jeunesse vibrante du Sénégal. Je les invite à porter très haut le flambeau des valeurs de la paix sociale, de la concorde, de l'international, de la citoyenneté et du civil. Le thème retenu pour ce 63e anniversaire est force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. C'est un thème très actuel qui témoigne encore de la haute importance que M. le Président de la République accorde à la problématique de la préservation et de la protection de l'environnement. Nous savons tous que le Sénégal s'apprête à entrer dans le cercle des pays producteurs de carbone. Alors, dans ce contexte de pays producteurs de pétrole et de gaz, où les risques et menaces globales sont en pleine croissance, pour ne pas dire diffuse. Nos forces de défense et de sécurité, qui constituent une force politique, sociale, voire économique, reconnue, doivent se positionner comme acteurs de premier rang dans la lutte pour la sauvegarde de nos ressources naturelles, laquelle constitue un véritable enjeu de sécurité nationale. Nos forces de défense, pour cela disposent de plusieurs avantages. Elles ont l'organisation, elles ont les compétences techniques, elles ont la formation, sans compter tous les efforts déployés par le chef suprême des armées, je veux nommer le, monsieur le président de la République, pour permettre à nos forces de défense de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurisation des biens et des personnes. Aussi, je voudrais finir par redire toute ma fierté et ma reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, pour leur dévouement à la mission au service de la nation et de la paix dans le monde.